mais bi nga gisee que ne li nga waroon def defuloo ko arbitre bi dafa taxaw classe tamit boo li nga xam ne boo ko warloo def li nga war a def boo ko defulee maître bi dina taxaw boo génnee ci cours bi tamit loo warlee def dina am ñoo xam ne war na taxaw boo demee ci mbedd mi tamit noonu maanaam lépp dafa nga ma maanaam dañ ko tënk ci yoon et ensuite gis nañ que ne bi nga nekk ci terrain bi yaa ngi am yërmande yaa ngi dem ci sa morom parce que gis nga ne maanaam yaa ngi koy dëfal ni ngay dëfalee sa morom ci terrain bi noonu nga war a dëfalee tamit sa morom ci classe bi donc manam lolou lañu soxla jangat bobu lañu soxla té tey vraiment li nga xamné ne jot nañ ko gis firndal na ne jangalé kat yi bàyyi nañ ci xel parce que gis nañ ay xalé yo, xamné ne ni joué nañu perdre nañu mais ñi gagné dañuy jëm ci ñu perdre pour defal leen. ko volleyball bi mu nek lo xamné ne lu am solo bo xolé volley sax ni muy développer ci xalé dafa bëri réflexe yi hein, réflexion bi tout ça donc euh, lolou nek na lu am solo.

accueillons déjà des entraînements de volleyball au centre culturel Maurice Gay tous les jours avec euh, euh, la, le coaching de Monsieur Amadou Sen et l'ensemble des coachs euh, qu'il a pu former. Et l'idée était de sortir du centre et d'aller vers les écoles parce que effectivement il a été fait le constat que l'heure de sport était euh, très peu effectuée dans les écoles publiques élémentaires et l'idée était donc à partir de l'année scolaire 2022-2023 de pouvoir proposer une activité sportive pour euh, les élèves. Je pense que M. Sen l'a bien expliqué. Euh, l'année 2022-2023, cette campagne-là, nous l'avons adressé particulièrement aux filles parce que nous avions remarqué que les garçons avaient la possibilité de pratiquer le football pendant l'heure de sport, mais les filles euh, ne pratiquait aucune activité. Et euh, cette activité-là a permis non seulement aux filles de pratiquer, mais aussi aux garçons de s'intéresser à euh, cette discipline du volleyball. C'est un sport qui permet une mixité très facilement, puisque garçons et filles peuvent jouer ensemble sans blessure, sans violence. Et effectivement, c'est un sport qui développe la cohésion, la stratégie, l'entente, euh, la discipline comme tous les sports. Et, donc c'est une discipline qui euh, présente énormément d'atouts dans le milieu scolaire. Au niveau des élèves, nous avons constaté une transformation des élèves extraordinaire. Et dans ce sens-là, nous sommes vraiment satisfaits du, du rôle constructeur de la pratique du volleyball dans les écoles élémentaires.